sous le parrainage de son excellence monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal et de madame Mariam Sall, première dame de la République du Sénégal, sous l'égide du ministère de la Culture et sous le parrainage d'honneur de monsieur Mamadou Kassé, directeur général de SNHLM et responsable politique à pair Tambacounda, leader du mouvement And Sampat avec le soutien du ministère de l'élevage et du ministère de la santé et de l'action sociale, du ministère du tourisme, de la Société nationale d'habitat à loyer modéré et de l'agence couverture maladie universelle de la fondation d'entreprise de la Sonatel, de l'Institut Prévoyance Retraite du Sénégal, de la famille de Elage Bounagnan de Kumpentoum et de Dakar Actu. Le conseil départemental de Kumpentoum, dirigé par M. Oumar Sy, organise la 4 édition du festival Pinchum Nyani les 21 22 et 23 décembre 2018 ca Koumpentoum Festival festivalu de bi de la culture au service du développement socio-économique et culturel du Nyani. plus de 1000 visiteurs n'yongilen ngi fay du Wuli du Bambouk du Jolof à la Gambie invité d'honneur conseil départemental Bukungel à communauté Mandeng Du programme Binak Nui ñuy formation des formateurs culturels foire économique avec une exposition vente d'œuvres d'art et de produits transformés Un colloque scientifique histoire ou niani baina. A culture banding à fondateur du royaume du nyani am symposium sur la transhumance du bétail dans le département de consultation gratuite chez cheptel du département don de médicaments de consultation gratuite jaaree ko personnes au troisième âge ak ay médicaments une ñu forum sur la santé solidaire ak CMU am balade des masques et prestations de 12 ethnies des podiums artistiques avec les jeunes talents